si côté li nga que euh, mais quand même euh, le front social en ébullition ñom ñoo la fin de grâce bu ki nga xamné que modi Ousmane Sonko ak bu Bassirou Diomaye les syndicats de la santé et de l'éducation annonce des grèves pour euh, décembre exactement mots aussi euh, le campus de euh, l'USAS Bouziganchor donc transformé euh, en champ de bataille avant démb manifestation bi am si waanu Ziguinchor doyoon na waar une image ñu koy du côté de la régie Tafa euh fait ko Facebook justement Euh na ko daal jangaté avant concrètement par rapport ak que li nga xamni tam xewna fofu na foofu oui dama koy ñaawlu d'abord, une université que je connais bien. Hmm l'université Hassan Sek. J'ai fait euh, la première année, la deuxième année, la licence mm. donc euh, là-bas. donc Bala Bala may dem université. donc mm. euh, Fofula la ne compte université Bobo. Euh, ba année de licence que je amee ma licence ci université Assane Seck de Gigansor je may transféré dem ci benen université continuer sama master sama samay master donc c'est une université de Gigansor que je connais bien et que j'aime bien mm. hein, euh, j'ai été délégué là-bas dans amical des étudiants j'ai été délégué je gérais la commission pédagogique au sein de cette université de Gigansor Assane Seck donc c'est une université que je connais bien très bien même. Tafa soo vidéo en même temps aussi donc moo tax moo tax su ma gisee lu fa xew. Hmm. dama koy ñaawlu ba pare dama koy ñaawlu. dama koy ñaawlu waruñu ko mën a transformer en théâtre de en champ euh, théâtre de de de bataille. Ah. champ de bataille. Hmm. et aussi di ñaaw aussi autorité yi euh, étudiant moom burusam la yaakaar. tous les gens je sais que tout euh, même le ministre hein, qui gère aujourd'hui l'enseignement supérieur. supérieur moom comment Abdourahmane Diouf. tout le monde a été étudiant. Tout le monde a été étudiant. Même le président de la République, son excellence Bassir Diomaye a été étudiant. Hmm. Ousmane Sonko a été étudiant à Gaston Berger, à Saint-Louis. On sait comment la bourse est, aussi vitale. La bourse est vitale pour un étudiant. On sait comment, nous tous, on sait comment la bourse est vitale pour un étudiant. Surtout un étudiant qui vient de débarquer à l'université. Il n'a ni personne pour s'assurer assurer de ses de ses de ses de ses comment de ses de ses mm. de son éducation. Mm. loolu dafay yaakaar ci bursam. mais avant. dafay yaakaar ci bursam. avant donc moo tax ma ne la. mu ne donc la fin de l'état de grâce a été déclenchée. non non, euh, je ne dirais pas par les syndicats de la santé de l'éducation. xam nga man dama wax fin d'état de grâce. parce que avant ñoo ñëw ci réew mi éducation bi santé avec les étudiants. man waxuma fin d'état de grâce man waxuma loolu. je ma jël cadeau. boobu tu sais pourquoi. Hmm, parce que Madiambal Diagne loolu non non non non état de grâce. musul musul jeex. Hmm. état de grâce musul jeex. Sinon, Ousmane Sonko n'aura pas obtenu la majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Donc, fin de grâce, Moussoul, Am. Moussoul Am. Donc, man non, Sonko, mon je sorti grâce. Non, je wax ni man duma jël bat bobu. Dama né. Il faut que aussi les secteurs là ñi tay di menacer état pour dem en grève, pour dem euh, euh grève il faut que nous analysions analyser les faits. Hmm. on vient des élections Ngourbou bu à peine sept mois comme huit mois il n'y a aucun budget qui a été voté maintenant vous faites la grève pourquoi. les ministères là amuñu budget. Hmm. budget rallongement budget Macky Sall la continue. Euh, continuer. non non non voilà. C'était ça euh, qui s'est passé. Hein. D'accord. Donc le drame a été évité euh, euh, de justesse. C'est l'infamie Modi Militaire. Fallo, yo, li, je l'ai vécu. Ce que vous voyez là, je l'ai vécu. J'ai été délégué à l'université à Sansek Bougigansor, comme lui man alkaat yi dañ ma doon jël yobuma ma commissariat man man dañ ma doon jël yobuma ma commissariat parce que dañoo japp ni que ñun ñooy déclencher grève yi ñun ñooy joxe mot d'ordre yi. Hmm. ñun ñooy ñun ñooy eh, def grève ñun ñooy déclencher euh, joxe illimité wala joxe le nombre de jours qu'on doit observer la grève. ñun alkaat yi dañ doon fekk suñu biir kër jàpp ñu yóbbu commissariat. pour empêcher la grève mu am à l'université euh, Assane Seck bu Ziguinchor. Hmm. donc image yi ngeen gis ni ma je l'ai vécu de la première année à la licence. Nous-mêmes, on, a, été menacés par l'université, par l'ancien, par l'ancien, euh, non. Ah, l'ancien comment dire, euh, euh recteur. l'ancien recteur de Macky Sall, Kourfia Keva Diawara. exactement. Il nous a menacé même d'expulsion. De, de, nous exclure à l'université. Euh, nous exactement sur les faits. Nous exactement sur les faits. J'ai doon wax. Alors, euh, euh, étudiants yi jox leen seen ay bourse donc dafa xaw am fait ce côté boobu tamit encore. dama ne xamal loolu man wax naa ko nee ah. étudiant yaakaarul lu dul boursam. nous tous on a été étudiants ou bien on est étudiants jusqu'à présent parce que jàng mom du wees parfois nga dem bind dem inscrire ci le département nga continuer même jusqu'à l'extérieur en mhm. France même les ministres là ils continuent de léguer sen sen sen sen, donc moi, la bourse est vitale pour un étudiant surtout un étudiant qui vient de débarquer à l'université Moi, tax autorité ubsi yu pour ñu jël en compte des doléances de ces étudiants là ñu jël en compte les doléances de ces étudiants là donc lolo je crois que les autorités vont répondre donc euh, massivement et favorablement à la à la comme à l'appel à l'appel de ces étudiants là donc ma ñëw éducation lolo composé réew ñooñu bëgg paralyser li ne secteur bi jàpp ngeen dafa parce que ñi ñi ngi non non dafa parce que il y a aucun budget qui a été voté aucun ministre bu voter voté budget amul benn ministre bu voter parce que maa ngi ñu né parce que maa ngi ñu né fii 3 trois ans Ousmane Sonko opposition d'autres dootu opposants opposant mais tali bi mooy doon dina xam rek moo di. opposant am kat yi ñoo doon. opposant non je ne dirai pas ça parce que. toutefois bo amé léegi mi débat d'orientation budgétaire. Ah. ba ministres yépp jall assemblée nationale bañu voter sen budget je crois que jafé jafe yi dina saafaraw dina saafaraw parce que les budget les les ministres que vous voyez là benn ministre amul budget je te le dis Ben ministre amul budget budget si vous Macky Sall voté vous fii lañ continuer donc il faut garder vos mal en patience les secteurs là il faut qu'ils gardent leur mal en patience voté nañu am assemblée nationale le président de la république même Bassir Diomaye Faye l'a dit Ousmane Sonko l'a dit hier ni que bu leen assemblée nationale parce qu'ils vont vers l'accélération des choses à l'assemblée nationale Fanny Dignon, Fanny Digno président dina ordonner à ce que nous installions Les députés UBSI bu ñu installer le premier ministre le président va accélérer les choses. ils vont accélérer les choses. le Parce que tu sais. Non, ils vont installer. Le Conseil constitutionnel. Mais là, le Conseil constitutionnel. Il ah. ah. a un résultats. Il Il n'y a pas de problème. Moi, Fanny Dignon, ils vont procéder à l'installation des nouveaux députés. Après, bon, nous parlons de l'installation les choses vont s'éclairer. Ils vont éclairer les choses. Parce que, pourquoi euh, Parce que les menaces, les préavis de grève là, les préavis de grève, moi, nous éclairer les choses pour nous voter les budgets là. Il faut nous voter, le, voter le, budget, le budget de 2025. Il faut que nous votions ce budget-là. Hmm. Tant que votons le budget, vous nous en 2025, mais a fait, fait, il y a gaffe, parce que ministre, il faut que nous votions le budget il faut que nous votions le budget. Moi, mi j'invite à ces secteurs d'activité là ñiy menacer cet état d'aller en grève de garder leur mal en patience dara dara il faut garder vos mal en patience on n'est même pas en 2025 on est toujours en 2024 donc il faut pas faire des préavis euh, euh, euh, de grève vous êtes même dans toute dans l'année au courant l'année courant. de 2024 exactement il y a aucun budget de 2025 qui a été voté donc grève mal mouvement santé <laughs> exactement